le terrain bi nga ses premiers pas terrain à la sortie de cet événement mu porter le nom de Pape Bouba Diop waxtaan nañ ci correspondance nangul rendre hommage Nous une demande pour que l'avenue de clinique Nabi Pape Bouba Diop mais il se trouve que déjà autorités mais nag am na beneen boo xamante ne bii def nañ ci euh, sunu yéene mooy bi dalee rond point HLM nii ba génn ji euh, nu mu dee autoroute 9 bi euh, pour ñu tudde ko Pape ba mooy traité bii jaar sunu kanam wax dëgg yàlla autorité am nangul nañ ñu ko. à l' avance nee nañ ils vont le faire par arrêté pour que aussi ñu tudde ko bu ba parce que il le mérite.